Chers sœurs, Alhamdulillah nous sommes aujourd'hui dans le village de Mbotil, Mbotil Djahao. dans la région de, de, pour procéder à, à l'inauguration du puits que vous avez bien voulu offrir euh, à ce village. Donc euh, euh, un puits aussi qui, est, a une double vocation. Une première c'est pour venir en aide les populations vraiment qui ont les difficultés d'avoir accès à l'eau. L'autre point, Inch'Allah, c'est que ce puits-là est une al jariya. Inch'Allah pour la défendre personne. Inch'Allah, nous espérons que Allah va accepter ce don et que tout autre utilisé ici dans ce puits sera une source d'hassanat pour cette personne qui va la retrouver dans sa tombe. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à cette personne et de l'accueillir dans le firda aussi Les travaux de ce puits ont assez duré parce que comme vous pouvez le voir, euh, Inch'Allah avec euh, euh, les bouts de roche, donc euh, c'était des pierres assez dures donc comme vous pouvez le voir, c'était des blocs assez, assez grands, Inch'Allah que les puits ils ont, ils ont mis beaucoup de temps quand même à casser petit à petit pour arriver, Inch'Allah, à bout de ce puits. C'était des travaux qui étaient très très difficiles. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, aujourd'hui, on a, on, a, on, a, touché de l'eau. Donc oh, là, les euh, villageois vont pouvoir, Inch'Allah, utiliser ce puits-là pour leurs besoins. Bismillahirrahmanirrahim. ñu ngi santé eh, ki maye m'a bi comme des filles de yal na ko yàlla li ñu may nañ ak ñi fexé ñu jox ci ñu ngi gërëm ñëpp ndax liggéey da metti li yépp loxo ko genn coono gi ñu ngi sant ñëpp de gërëm na ñëpp wa rb tardé rek biñu jàppoon waye ñëpp do doon ñëw ndax euh, fi mom affaire bobu amé wuñ ko bo né ñëwal mom num naaj naaj ñu ñëw xana ñi dañuy taal añ ak naaj bu tang bi rek lolo tax mu bindoo nii waye du du leneen wa merci wa maa ngi sant ñëpp ngi nuyu ñëpp ku maye ten bi gam def fi joge ñong koy ñaanal ah, a yaayam mo fi joge yal nako yara xari arjana waaw ten bi ni la mo na mel ndax am ndox bu baax te liggey bi rafet na yéen am ngeen jaaram topatu ngeen li ko doon liggey topatu ngeen teex ben mel ni mu war mel legi kon Euh, yal na ki nga xam ne moo tax ñu di ko liggéey yal na ko yàlla jël yéen bi yal na yàlla fay bu leen yàq bu leen yàqule yàlla sam seen seen njaboot yàlla yàlla yaral seen yoon ci barke liggéey bi